Bonjour, je m'en vais vous faire la lecture du communiqué 186 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 3 septembre 2020. Nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1032 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 42 cas contacts suivis par nos services et 41 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. La commune de Thiès, 5 cas communautaires. Gibraltar, 2 cas communautaires. Grand Dakar, 2 cas communautaires, Géjewaï, 2 cas communautaires, Kaula, 2 cas, Kedougou 2, Les Maristes, 2, Mbao, 2, Les Parcelles Zassini, 2, Seyou, 2, Tiwawon, 2, 2, Ziguinchor 2, Fatik, 1, Ngor, 1, Wokam, 1, Westfire, 1, Passy 1, Pikine 1, Point E 1, Rufisque 1, Sarea 1, SICAP Liberté 1, SICAP Liberté 2, 1, Touba 1 et 1. 47 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation aucun décès enregistré ce mercredi 2 septembre 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 826 cas ont été déclarés positifs, dont 9 553 guéris, 287 décédés et donc 3 000 985 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prendre rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous rappelle les recommandations du jour qui aujourd'hui vous disent ceci, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté, et pour cela, accordé une importance haute à trois gestes essentiels, notamment le port correct de masque et toujours, le lavage des mains de manière fréquente et enfin le respect de la distance sociale. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum Mboki. ma communiqué bi qui ci ministère de la santé et de l'action sociale tey ñetti fan ci wéru septembre bi ñu ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj lim ci junni ak fanweer ak ñaari test yi ñu jot a def juróom-ñett fukk ak ñett ñoo positif ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak ñaar mooy cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañu feebar bi parce que dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am ci ñeent fukk ak benn cas communautaire ka communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñ fu ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Thiès am na ci juróomi cas communautaire Gibraltar am ñaar Grand Dakar am ñaar Géejawaay ñaar Kaolack am ci ñaar Kédougou ñaar Mariste am ci ñaar Mbao am ci ñaar Parcelles Assainies ñaar Sédhiou Sédhiou am ci ñaar Tivaouane am ci ñaar yëmbal ñaar Ziguinchor ñaar fatik am ci ben Ngor ben, Wokam ben, west Foire ben pasi am ci ben, Pikine ben Point E ben, Rufisque ben, Saraya am ci ben sikap Liberté de ben Touba ben ak Yofa ak yof ben ñen fuk ak juroom ñaar si malade yi ñu entré won hôpital wër nañu bëss ni ki tay dinañu genn bu ci yalla andé fanweer ak ñett ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb alarba ñaari fan ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ki bësu tey dale ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak ñett ak juróom-ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett wér nañ ci ñaar témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñett junni ak juroom agrom témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale di ñaanal ñooñu nekk hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé de l'action sociale di woo askan bi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen fàttali nag na ngeen aar seen bopp aarale seeni jaboot ak askan wi pour loolu nag mu ne ngeen bàyyi xel ci ñett ñett euh, ñett kàddu yu ma bëgg a wax mooy masque bi ngeen bañ bañ leen ko bu leen ko fàtte di raxas seen loxo saa fu saa bu ngeen ko munee te aussi respect distance sociale mooy maanaam fépp fi nga xam ne mbooloo yi dañ fay daje nga fexe ba bàyyi lu toll mètre sa diggante ak ki nga janool ki nekk sa ginnaaw sa càmmoñ wala sa ndeyjoor ministère de la santé de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam